mbokku déglukat yi asalaamaaleykum wa rahmatullah rafetlu seen ànd ak rajo Jokko FM seen émission jàkkaarloo politique ah, dañu tam di ko def ah, dimanche bu jot ci waxkaay bi mu Pouy Assane Diouf moo ñu fare ci xarala gi am mbégte lool fekki leen itam ci li nga xam ne moom moo di ah, bilepa rajo ngeen di teewlu ci seen biir kër. Ah, suñu gan nag tey doon kilifa goo xam ne ci biir dëkk bi mat na gan ah, di nag kii di ah, maam Omar Mané moom mi nga xam ne jamono bii mooy maire bu Rufisque Nord bokk ci kuréelu parti bi nga xam ne moom moo di Alliance pour la citoyenneté et la République ARC wala ARC nga xam ne ndem si yàlla si Badara Mamaya Sène moo ko fi sampoon ba ba noppi tamit moom di ko xam ne Euh, kàngam la ci euh, wàllu euh, télécommunication moom lañu ñu nar a waxtaanal ci lépp loo xam ne ci laaj ak tontu aajowoon na ci wàllu politique seen yëngu ñoom seen kuréel googee doxalin bi ci biir dëkk bi yorinu bokk moomeel bi nga xam ne moom lay jiite ak yeneen i fan ak yeneen i anam rawatina wàllu ma actualité xam ngeen ko bi ci gën a jàmp mooy yëkkati kàddu namm supprimer lii di ay ville wala bon def réforme des villes ni nga xamee ne noonu la jibee ci benn kilifa ci gouvernement bi tax mu lëmbee ay ville yu mën a tëngeej des nañ ko waxtaane ak yeneen i ponk ah, léegi nag euh, gannaaw bu ñu leen dalle ak jàmm dañuy nuyu kilifa gi bàyyi ko mu nuyu ak mbokku déglukat yi laaj ñuy dugg ci laaj ak tontu Mamour Mané ñu ngi lay nuyu di la wax asalaamaaleykum dalal ak jàmm ci émission ñu bàyyi la nga nuyu ak mbokku déglu merci Moussa euh, maa ngi lay nuyu alors di nuyu waa tëngeej yëpp di nuyu waa Sénégal bi yëpp di nuyu waa monde bi yëpp parce que actuellement monde bi village planétaire la alors euh, di profiter cette occasion bi euh, souhaiter une bonne et heureuse année 2021 souhaiter que que 2021 il une année de santé de bonheur de prospérité de réussite parce que 2020 bi metti woon trop li tax ñi nga xam ne aussi si mettiwaay boobu yàlla jëlee na leen fi hmm. yalla na leen yalla xaral àjjana yalla yërem leen jéggal leen alors di ñaanal nak ginnaw bima ñaan ne lepp ñaan spécial hmm. à mon président hmm. mon leader mon frère mon ami Badara Mamaya Sène yàlla na ko yalla xaral àjjana yalla yërem ko ak ñëmu fa fekk ak ñaka fa fekk ñëpp merci jërëjëf monsieur le maire Mame Omar Mané tay moo neera doon suñu gan ah, ci seen ah, émission bi le di ah, jàkkaarloo politique dimanche bu jot ngeen koy am fi ci radio FM alors euh, monsieur le maire hein donc euh, sa xel dafa yëngu lool ci walum télécommunication est-ce que tu jii ni buñ ñu doon tënk mën nañu xam ci présentation kan moy mam Omar Mané vie professionnelle cursus scolaire entre autres doomu Tëngéej. waaw damay synthétiser rek parce que loolu bu ma ko naree wax deux heures de temps du ah oui oui. <laughs> Euh, je suis un homme politique. et non pas un politicien. Il y a une différence et il y a une nuance. Oui. Mhm. Parce que moi, j'ai été un marxiste-léniniste armé de la pensée de Mao Zedong. Ah, des rares, un des rares Sénégalais, il continue d'y parce que l'on souvent, c'est ça qui manque à la politique, l'idéologie. Tout à fait. Alors, euh, li gens, madame, tax si télécommunication fonk sama métier moi, lolo, boo un homme politique na ngay def de sorte que na ngay mënal sa pour être autonome indépendant non manipulable non manœuvrable non influençable hostile à la pression et au chantage. Très bien loolu day tax nga góorgóorlu waaw économiquement parce que la politique c'est pas de la mobilisation n'est pas de l'action mais c'est encore de la réflexion. encore moins ce n'est pas de la démagogie. de la alors moo euh, très jeune alors ma dugg télécommunication parce que man 75 la admis école des PTT mais avant 75 alors mangi ngi def électronique à la radio néerlande numérique bien ngay gis man def na avant 75 alors moo bima bi examen PTT yal def ma am si bima bi ni ma radio électricité. Bah, PTT école des postes et télécommunications. je suis un télécommunicant un transmettant spécialisé en FH, professeur Erzien. Et en fil optique. Ok, ok, Assad, qui, t'as eu un problème avec Djoko, moi, je ne peux pas régler. Pas régler, je lay mëna indi c'est-à-dire yow nga am problème ma jàngal la ñu koy defee. professeur nga ci. je suis professeur de mathématiques j'ai enseigné ici Ibrasec Pekin mathématiques électrotechnique. électro transmission très bien. j'ai fait 35 ans à la Sonatel. j'ai été exploitant agent de maintenance agent de supervision et un gestionnaire de projet. quelque part ça maa la dernière fois si internet bi ngay wax comment est-ce qu'il faut comment on fait facilement pour brouiller donc à <laughs> fréquence c'est dans l'exemple de Djoko, qui plus mais c'est vrai euh, donc l'on lui a de yàgg ah, lolu moy radio a la rek mhm. Radio, alors du question démagogie du question prétentions, mais dama ko la radio électricité comment faire pour transmettre une information à travers les ondes dans l'espace ou bien à travers un support matériel qui est maintenant la fibre optique. Alors, monsieur le maire, c'est vrai, nous sommes donc dans ce sillage et d'ailleurs, nous on transmet autant à euh, si euh, l'idée analogique numérique bi que nous également sur internet bi. Nous ça une longueur d'avance par rapport à cette évolution. Alors, aujourd'hui euh, nous nii suñu souci moi lan moo tax ku melni yow kangam ci fann bobu waroon na nekk koo war nga mën wër ngir loolu tey nga sóobu ci politique bu wesso cet aspect idéologique bi nga xamné mom moom ngay incarné. waaye politique boko ko comme ni koy waxé c'est un socle de valeur une batterie de vertus. moy yow bo xamé dara am dara mën dara naka ko koy indee si gox bi pour gox bi jëm kanam askan bi jëm kanam loolu mooy politique. Mm-hmm pour mu il faut avoir une ouverture extérieure pour ku la gis n'y a ñëpp say xarit am une ouverture d'esprit c'est la réflexion am maintenant une ouverture du cœur parce que la politique est un don de soi que tu fais au profit de l'autre. Mm-hmm foog gaa ñu ñeme la foog ñu mën a joxe. foog nga foog nga mën a joxe. Mhm. foog nga am esprit de partage. foog ngay déglu foog ngay concerté wu. Mhm. et loolu boo gisee loolu la Alxuraan digle nga ñëw ci science aussi loolu les textes de développement de la politique digle parce que texte bi nga xam ne ni mooy tax nga def politique mooy def nga mooy tax nga def développement la décentralisation. la décentralisation d'une manière générale est un système d'organisation d'une entité d'une institution d'une organisation d'une société mais en même temps un mode de gestion d'activités diverses alors vu sous ce angle nga xam euh, yow déjà euh, la moule de la politique imprégnée wu nga ci auparavant sentir de politique adopté nga ay euh, ay théorie et également le dogme politique tey jii dit que la ci nga jël parti bu Melni, ARC ak Badar Mame Makhtar Sène une manière de lui rendre hommage. waouh loolu aussi dinaa si. parce que la tendance était que boo amee ay philosophie léninine marxiste pourquoi pas être un communiste aller retrouver euh, le PIT entre autres et yeneen yeneen formation politique yi nga xam ne sont de la gauche gauche waaye nga préférer tout de suite partir sur la base locale ànd ak doomu ab doomu tëngéej boo xam ne dafa dafa samp parti waaw doomu tëngéej boobu sama xarit la sama frère la mm-hmm. alors bi muy ñëw di ma sees si PS la nekkoon alors bi mu ñëwee di ma sees si wax ma dafa bëgg ma jàppale ko li ma ko jëkk wax mooy ah grand frère yow du ma leen jàppale parce que c'est le PS. waaw les les social démocrates waaw ah, c'est ça mënu ma la jàppale. <laughs> waaw parce que man li ma gëm c'est la RNDP la révolution nationale démocratique et populaire. waaw donc yéen actuellement gisuma loo leen def vraiment si réew mi. Mhm. depuis 1960. comme ça de manière. ah mais si. jàppale moom mënul am. grand mhm. frère. Mhm. mu ne mais déglul ma wax la man ko maa ngi lay déglu. mu ne ma waxuma nga jàppale ma sur le plan national yow xanaa doo doomu tëngéej ma ne ko waaw mu ne dama bëgg nga jàppale ma pour que tëngéej bi nga xam ni dafa dégradé socialement économiquement culturellement ñu soqali ko ma ne ko ah waaw yow loolu de mënu si dara. woo nga naar bi ci buuxante maa la ko wax loolu. naarum si dara <laughs> mais ah balaa ma siy dugal ma dinaa la wax samay condition de parce que. li nga xam ne lan exactement. condition bi ma ne ko man de du ma nekk si ginnaaw kenn. boo buggee ñu liggéey dañuy ànd mag mag. dañuy yow doo ko ñuy diri. waay ok. ne ma kooku du problème petit frère. Mhm. parce que Mamaya maa ngi commencé ànd ak moom depuis presque 72 laa daa fréquente kan këram. Oh. Ah oui, oui, oui. Ça, c'est des Non, c'est pas maintenant. Non, non, Son frère est mon ami intime, Ibrahim Sen. waaw ah, moo tax ma xam jabaram Rama mhm. xam doomam yëpp. abibul laay benn bi ngay dëgg. Mhm. liir si sama kanam la nekk liir. ndeysaan waaw. Ah. mu ne ma non kooku du problème. ñu koy nuyu au passage ñoom ñëpp day. man ne ko beneen bi mooy euh, bu may àndax yow. Mhm. xam naa ni si kàttu yàlla lu ñu yëkkati dina am barke kooku ku yàlla may barke yaa koy xam ma ne ko dama bugg bu ñu àndee ba gañee bu prioriser l'intérêt particulier nañu mettre en exergue l'intérêt général parce que xam naa fi may wax yeggugun fi dañuy gagné si kàttu yàlla bu gagné loolu laay bañ. Et après, vous avez eu raison sur le temps. Mais, mais si, le temps polie la vérité et mmh, la mensonge. Mmh. Oui. beneen bi moy ñettel bi bon dina ko wax parce que lu baax la ma ne ko bu ma demee ba li taxone ma ànd ak yow gisatuma ko je serai le premier à te combattre frontalement mais bo bu boba bul né dama war mu ma du am ma ne ko à partir d'aujourd'hui képp ku ma xam képp kuy cadre nekk Sonatel dëkk Tëngéej dinañ ànd ñu jàppale gagner maire bi si kàttanu yàlla. yaa may dégg mi daal bien sûr que maa ngi lay dégg. Ah, li may wax dafay leer. li nga lay dafa leer. ñu si scientifique. parce que parce que le derrière voilà parce que les le fait le commun des des quoi peut-être à distance de de de votre organisation pour dire que voilà souvent c'est des ni mooy ñi accompagner feu Badarma Maya Sène ñu gunge moo ko fi euh, parce que voilà moom mooy diriger ma maa ne yorul dara entre autres. ci li muy gérer si li moo tax nit ñi do leen déglu. mais mama ya c'est pas le cas am xam-xam c'est pas le cas oh Mamaya ma ko naw. musu musul tanka tànka mama ya musu ma laaj dara si maire durant magistère non oui waay. am tunu ah. oui bien sûr kooku mo goré mhm. bu bëggee dara. dafa ma koy ñaan man ne ko mais président loo may ñaan <laughs> mais yaa ko moom mun a ma tuer le maire. d'accord donc gore. donc moom boo daanul woon interférer. non non a di. ñuy wax rek. damay ñëw jox ko projet mu ne ma frère mu ne waaw mu ne ma yaay maire nee bu soxlaa dara dafa may ñaan ça me waaye ku baax. koo xam ni xam na moom rek moo ma xam ah si ñi ma xam actuellement. Mm-hmm. si àdduna bi. Mm-hmm. bariwul de matul ñeent de ñi ma xam man ñi xam maay kan moo tax il était super intelligent. macha allah xam naka la ñuy gérer parce que fii ñi ñi dañuy wax rek mais entre nous les gens ne font que parler. ngay retenir lan ci moom loo xam ne particulier en tant que acteur politique mais pare en en tant que valeur d'homme Moi le cœur un bon cœur mm-hmm. une ouverture du cœur mm-hmm. ku mën jàppale ku mën dimbali maa gis le sourire non mais dire que c'est ça de bon moment. mais c'est ça ñun loolu la ma jàngal en développement développement na ngay yaatu développement partager développement parce que le développement n'est pas de la croissance. mais qui sont mhm. le développement ce n'est pas un état donné. Mhm. c'est un processus évolutif dynamique multidimensionnel mhm. multisectoriel. par lequel on identifie les ressources propres de la collectivité. après les avoir identifiées les valoriser et les exploiter au profit de l'intérêt général. alors tey jii nii soo doon sumba loolu yëpp nga def ko ci ab siwo mbaa ko. Ah. est-ce que gis nga ne ndetteelu na tey jii nii ci li nga xam gestion parce que da nga wax tout à l'heure nga ne dafay am solo lu ñuy woowee décentralisation. Ah. maanaam bokk moomeel yi ñu jox katan kàttan may leen ak ubbeeku ñu mën a doxal seeni budget yi nga xam ngeen di faral di euh, prévisionner. Euh, donc recouvrer de manière convenable faire également soxla askan bi vos projets sur le plan local ngeen véritablement aboutir à souhait est-ce que tu as une fi wax dans le concept tu as nii sentir nga dans la gestion de la commune de Rufisque Nord yow am nga possibilité d'exécuter la convenance. ñu et je reviens si tu me permets. allons-y d'accord. ñun ñi dañuy wax mais décentralisation balaa ngay xam maire yi na ngay xam ban façon république la ñu yore c'est important les gens parlent yuuxu boo leen nee ban république la ñu yore du ko xam. leeralal askan bi ci. depuis 1960 on est devenu une république la république du Sénégal. Mm -hmm. depuis 60 politique bi ñu adopté c'est l'option d'une politique de décentraliser, progressive, prudente et irréversible. Lena, mhm. depuis 1960, nous avons une administration d'État. Mais la République est laïque, démocratique, social, unitaire, centralisé, déconcentré mais décentralisé. Mhm. Il y a un seul ordre juridique Il y a seul un seul gouvernement nga l'État, d'une manière générale, de femmes d'olé, moi symbolise la République. D'où l'appellation la puissance publique. La puissance publique. Parce mm-hmm. que l'État est une personne morale de droit public mm-hmm. dotée d'une personnalité juridique mais incarnant la souveraineté nationale elle l'exerce dans toute l'étendue du, territoire, Absolument. et à l'endroit de tous les citoyens mhm. à travers les départements ministériels. am administration pouvoir politique pouvoir technique ñaari administration yooyu muy gouvernement muy mairie puis dañu war a la mairie est un démembrement de l'État mhm. il faut que nous xam ko mhm. le premier partenaire de la mairie c'est l'État ni le chef de l'État parti C'est le nek sa C'est parti pourtant il arrive que ma dagg sa que l'État au pouvoir euh, que sur le plan sur le bras technique que constitue euh, le maire des fois il fait fait que maire il est d'un autre camp que l'État, le gouvernement en place et que dans les projets yi nga xamné euh, les projets décentralisés au moins au niveau de l'administration centrale à partir donc de la préfecture mais également des euh, services techniques de ñu yombalal bi maire man ah bon. ay même man commune j'ai dit que je suis une mairie j'ai une autonomie juridique organique fonctionnelle financière et patrimoine au niveau de mon périmètre territoire gouvernement municipal, Kenen municipal. plus que le gouvernement avec l'acte 3 de la décentralisation a donné toutes les valeurs constitutionnelles au principe de la décentralisation que sont la liberté, la responsabilité, l'autonomie juridique, l'autonomie fonctionnelle, l'autonomie organique. maire bu vous na ngay demal sa avez xaar bu état ñëwee def na devaram mais tay jii nii naka la ab maire yi war a a d'ailleurs am na li wax les les les dotations fonds de concours ak fonds de dotation yi nga xam ne day jóge ci état nga am également ce budget de manière prévisionnelle nga établir pour le fonctionnement et l'investissement mais ce que l'on dit, la euh, beaucoup de maires se plaignent de manque de ressources pour réaliser souvent ces projets qu'est-ce qui se passe alors bon tu sais du ma a une mairie, hein, parce que la particularité de la décentralisation qui fait son charme hmm. c'est la spécificité la gestion d'affaires propres donc ça va nekkul une mairie. maires alors, dans l'exemple de Rufus, non. pour, être beaucoup, plus direct, on va y aller et ça sera direct. Pour l'exemple de, de Rufus, Est-ce que les ressources, ils ont ramené, ils ont dit qu'ils étaient à corroborer ou de manière véritablement réfléchie avec le conseil, établir ont établi des prévisions au courant donc euh, d'une de, année, ils ont asseoir une politique d'investissement et de fonctionnement, mon mengo avec les états de voilà tout le temps il faut que nous les di perfuser parce que amu pour savoir le budget je pense tourne autour de 900 millions au niveau de la même du Nord. waaw 900 millions mm-hmm. presque 450 euh, millions est là la. te ni mu ma non parce que boo les c'est national man c'est 884 millions. Et il a mairie non réglé. C'est tout le monde qui a dit. Il y a Donc, l'olu aussi de faire si acte 3 de la décentralisation. Pourquoi il y acte 3 nous avons dit que Mary Nord est en train de se faire. Mary Nord est en train de Pourquoi, Pourquoi est-ce que cette supputation Mais les gens ne savent pas lire l'acte 3. Ils ne la pas lire l'acte 3. Acte 3 a l'autonomie surtout pour l'article 19 qui te permet de contractualiser avec n'importe quel partenaire technique financier national comme international pour t'accompagner à la réalisation de ton projet Nous nañ la la participation citoyenne qui est devenue un principe constitutionnel parce que le développement comme nous le dit, c'est fait à la base, par la base, avec la base et pour la base. Il doit être endo et exo. C'est ça. Mhm. Les professeurs, qui sont les populations, mm doivent être les initiateurs, les auteurs, les acteurs et les architectes de leur propre développement. Non, li ham yo yow yaa am xam-xam. Mhm. si vous nga nek, sa xam-xam bi demal def ko si gox ba nga dëkk. def non, bi kanam. Mhm. n'est-ce pas. d'accord Nagio. oui donc pas que bi ne, nañ euh, nga ñëw si fonds de concours yi ñëpp lañ ko jox nga ñëw fonds de dotation bi ñëpp lañ ko jox donc luñ la nous na ngay xereñ utiliser les populations mhm. parce que mënoo def dara sans ñoom ñuy encore au niveau de l'acte 3 le chapitre 7 toutes ces dispositions de ce chapitre te permettent de créer de la recherche. Tu l'exploites. Alors, sur le concret, c'est vrai qu'il y a une, euh, une, compréhension holistique donc, de l'événement. Parce que là, bon, je vous le concède. Mais sur le principe et dans, le concret, à euh, mon de Projet, bon, c'était un grand marché moderne et que, euh, voilà, qui traverse hein, donc chanter à souhait, Euh, fan ngeen ci tollu parce que Youssou Ndour nga le ministre conseil Youssou Ndour moo ñëwoon jamono boobu euh, ñëwoon def inauguration bi est-ce que finalement après inauguration après. on a ba léegi maa ngi si projet boobu projet boobu boo gënee tax mu tardé mooy am na ñu bëggul mu sotti. déedwaay. ah si am na ñuy ñaan am na ñuy ñaan mais c'est normal mu bañ a sotti. <laughs> ah je ne sais pas. Bah, non ñu lay noonu. yow li ngay def moom si noonu tey jii bi mais ku lay ñaaral sa sa projet bañ a antu mais. comme mais kan moo gën ñëpp yonent bi. salaahu est-ce qu'Amun amun amu ko ah muy noonu bu ma ko amee. mais mais yow identifier nga leen xam ngeen. xam nga soxla ma ko lu tax. dina sotti. si kàttan mais lolu mais le temps de mandat aussi. mais doucement mais keneen bu ñëwee yettu man je ne gère pas de. la continuité dans la gestion. moi je gère. Mhm. les problèmes de proximité quotidien ëllëg man gère élection mon pouvoir xam nga li may mhm. actuellement les Rufisquois du Nord ont des préoccupations comment faire pour trouver des solutions afin de régler ces problèmes-là. Et pratiquement, le problème, je les maîtrise. Ben secteur, c'est l'assainissement, c'est la NEC. Mais je reviens au marché. Oui. Au marché, mhm. le terrain est aménagé, sécurisé depuis 2009. Les études techniques ont été faites. L'étude de sol a été faite. L'étude environnementale et sociale est faite. Le business plan est fait. l'utilisation de construire est sortie mais partenaires yi ñëw yëpp dañu bugg a nax. maanaam. ah nit ku yeewu am xelam di dox ñu war la nax. mais noonu la ñuy xam ne yaa ko samp. noonu la def yéen boo leen defu ndànk sax ñu nax leen si. déedwaay comment aménage. Ah, déedwaay oui c'est ça. <laughs> da ngay am fulla fayda dafa xam ne dañuy ñëw di grignoter di coppati. oui am ñoo xam ne monsieur le maire dafa grave. dafa grave am ñoo xam ne nii ils te disent que c'est des partenaires financiers fekk c'est des courtiers financiers. bëgguñu lu dul jox la sa sa sa sa projet soit ñu multiplier ko dem des financements ailleurs man dama mais mais les offres de services, yi nga xam déjà yow euh, ñoom ñu koy andi yow mais da ngay da ngay proposer pas offre de service les offres techniques et financières. les offres techniques. soit ah, c'est ça pas offre de service. pour être beaucoup plus yow boo mhm. offre technique j'ai des techniciens parce que je suis bien entouré ñu xool. Mhm. mais offre financière bi mais lui, jar 100 francs, nga bëgg mako jox 1000 du mako nangu. mais y ya au moins boo soumettre le marché. Ils ñi ñëw concourir. ñoo ñu mën identifier à distance. non là aussi je reviens encore. Mm-hmm. ce n'est pas un marché public. J'ai utilisé l'article 19 qui me permet de contractualiser avec un partenaire technico-financier. À votre choix. À votre choix. Euh, c'est important. Ah. Oui, parce qu'il s'agit de contrat. Ah, c'est ça. la liberté, la liberté. de le faire. C'est ça. Ok. C'est ça. Mm-hmm. Montagne donc Mon de, pipipi, le PPP, oui. comme nous dit public, ben, on a changé même le terme, c'est mm-hmm. contrat maintenant. Mm-hmm. Ah. Pour... Au niveau des, euh, des, des, des mairies des, collectivités locales, je des collectivités territoriales. Parce qu'il y a un article aussi qui a changé mhm. collectivité mhm. locale. Mhm. Donc, Ça ne vous embrouille pas toutes ces formes. Il y a tellement de théories autour de, cet acte 3 de la décentralisation que finalement, est-ce que toutes ces théories qui font que peut-être un maire qui n'a pas peut-être la, la carrure ou peut euh, euh, comprendre véritablement tout ce... Non, c'est facile. À, à, moins que nga autour de toi. Ouais, c'est facile c'est-à-dire comprendre autant. bu fekkee ne intérêt général rek mo tax nga jóg. dafay hmm. yomb. <laughs> bu fekkee ne intérêt particulier mo jóg. tu as toujours des difficultés. c'est clair intérêt général man mañ top fi par exemple ak bi dama laa fi yemale parce que amu fi dara mais bu fekkee ne ngay def calcul li war naa ko am bu ma demee damay ñàkk mais tu as toujours des problèmes. alors sur ce monsieur le maire. Euh, est-ce que tey d'où on ne donnerait raison au président de la République Macky la dernière fois qu'il a dit le discours à la nation bi a que euh, une certaine presse euh, nationale dont wax les villes sont caduques pour revenir à cette question importante qui qui touche euh, cinq villes du pays dont un jour dans une émission radio le ministre en charge donc des des territoires au Gueye qui, qui plus un fils du département, parler de cette suppression des villes éventuellement. Euh, dans la réforme a supprimer des villes est-ce que on ne donne pas raison au président de la qui disait que les villes sont caduques. waaw Lolo aussi c'est un débat technique dinaa si ñëw maa de et vous faites ne dépassé débat mhm. des personnaliser quoi. jiital intérêt général bi rek dinañ juboo parce que bu ñu waxtaanee rek dañuy juboo mais ñu nangu waxante dëgg. lan man yu mel nii alors xam naa dinaa si ñëwaat daf ma dal bi mu nekkee Sonatel. Ah ah euh, bi ñuy def euh, privatisation Sonatel. Mm-hmm. mais ñi dañ doon du am man syndicat bi ma bokkoon ñun rek ñoo lii. dina am kenn mënu si dara dañu war a toog préparer wu faire face à ça j'avais l'habitude de dire buñ la nee jaan mi ngi ñëw sa kër nga naan du fi ñëw dof doflul ba mu ñëw dugg bu la nee bu fi ñëw prends les dispositions. bu ñu ne liy raam daal ci ñag bi la jëm. waaw jëlal say matuwaay. donc euh, man dëgguwuma Omar Gueye dëgguma lu ma wax mais président suivre naa ko parce que man lépp lu may wax dama parce que souvent une information dafa yomb déformer et une information doit être complète mm-hmm. authentique mm-hmm. et actuelle ce qui est valable aujourd'hui demain peut ne pas être valable man si wax président degna comme wax Omar Gueye dégguma ko aussi le présidente la présidente du haut conseil mu wax ñooñu dama degg ñu wax mais li ñuy wax c'est très clair il n'ont rien inventé je reviens mhm. ma tojal la li ñuy wax toj ñuy degg waaw ah. tojal waaw Assane il y a Assane. Mhm. déglul ma tajal la. Mhm, tajal parce que si annonce bi j'ai dit il faut m'écouter avec attention. absolument on est. li on est tout oui. parce que nous sommes dans une république. Mhm. avec un droit positif. xam nga le droit positif. le droit écrit. même élèves vous 2 vous lire que de comprendre. lenn. moi, c'est samay convention avec les étrangers. j'ai dit que la convention doit être sa propre police. Elle vous aime de ce que Donc, pour revenir à l'Ingawa, moi, il y a eu, j'ai dit que depuis son accession à la souveraineté internationale, le Sénégal a adopté une politique de décentralisation prudente, progressive irréversible. Mm-hmm. D'accord mm-hmm. Ça veut dire que politique de décentralisation n'est pas figée suivant le contexte, la circonstance et la réalité. On s'adapte. D'accord mm-hmm. C'est ainsi que en 1960, amélioration de ce texte. En 1966, mais la plus grande et première réforme date de 72 avec l'introduction de la décentralisation dans le milieu rural mhm. en créant les communautés rurales mhm. on est d'accord mhm. Nous, dox ba 96 suivant toujours le contexte nous avons fait la régionalisation la raison est érigée en collectivité territoriale Nous, daw di dox ba deuxième 2013 euh, avec toujours un nouveau contexte surtout le contexte économique international qui est la globalisation la déréglementation nous mm-hmm. nous nañu jéem en 96, il n'y avait que trois ordres de connectivité territoriale. Mm-hmm. On est d'accord mm-hmm. La communauté rurale, la région et les communes. D'accord non mm-hmm. Les grandes communes sont divisées en communes d'arrondissement. Et pour prendre d'ailleurs le cas ah, Je vais, non, je Et les grandes communes sont divisées en communes d'arrondissement mhm. et ont la dénomination de ville. Il mhm. y Oui. Nous 2013. Euh, la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 qui dit, qui dit dans son préambule a abrogé wax toutes les autres lois et remplace toutes les autres lois am solo mm-hmm. la loi de 2013 a abrogé toutes les autres lois et les a remplacées Les amours ne ça n'existe plus moo tax bu ma déggee ñi daan commune à euh, statut particulier dara amu si. donc caducité bi. ça s'impose. c'est ça dit le président là ah je viens pour répondre. ay mhm. ñëw bu ma si article 2013 bi de. Mhm. maa ngi ñëw si 96 bi. mo waxone d'accord fofu ñun ñu sukkandiku. Mhm. c'est abrogé dara amatul. loi 2013 bi nak bu ñu ñëwee mu def la communalisation. intégrale intégrale mhm. et universelle. Dans son article premier et son préambule, on a dit que dans la République du Sénégal, mhm. il n'y a que deux ordres de collectivité locale. À savoir le département, mhm. la commune le département est une structure décentralisée intermédiaire qui n'a comme rôle d'harmoniser, de coordonner l'action de l'État par rapport à l'action des communes qui sont les gestions de base. Ah, je parle de technique ah, il faut que je vous je suis tout oui. suite. Mhm. Donc, 2013 babou il m'a l'air na mais nous devons c'est article 167 que une ville peut-être peut-être instituée peut-être or que boo si l'article 22 et je crois 67 qui partent de, qui parlent des communes et des départements de c'est ces structures là sont mais au niveau de l'article 167 de peut être instituée et quand elle est instituée elle n'est pas une collectivité territoriale mais elle devient une entité administrative de mutualisation des communes qui la constituent. C'est clair, il faut que les gens parlent de Mais ça wax sa leur texte parce que nous avons un droit positif c'est comme en France on parle de EPCI établissement public à communalité à communalité. EP, établissement public intercommunal de coopération. Moi, la présente. Il a raison. Cette structure-là, qui n'est pas une collectivité territoriale, mais qui est un établissement public à intercommunalité, mais nous ne sommes pas nous n'est que président. C'est le cas du département. Je reviens, le département est une collectivité territoriale. Le département, mhm. comme la commune, sont des collectivités territoriales. Tout à fait. Leurs organes sont élus. Élus là, là. Mhm. Mais là, le conseil n'est pas élu. Est-ce C'est désigné. <laughs>

J'ai posé la question à quelqu'un qui, animait. C'est un fonctionnaire, mais mais il a donné. Le département, comme la commune, sont des collectivités territoriales. Ils sont administrés par des organes élus. Le maire est élu, le président du conseil départemental est élu le conseil départemental est élu, les conseils municipaux des communes sont élus. C'est ce qui constitue l'assemblée délibérante. Parce que maire est ah, à On est administré par des lois au niveau national et des décrets. Mais suis au niveau de la base, notamment des communes, on administre la commune par des délibérations et des arrêtés. Délibération B. moi loi au niveau national arrêté vous <laughs> moi décret au niveau national mais mieux texte vous amène. c'est toujours il n'a pas été modifié. Alors, si on revient une fois de plus, c'est bien, hein, j'ai été très, très loyal avec vous. Oui, techniquement, techniquement, mais c'est mon point de vue. Bien sûr. Alors, la réponse à ma question, c'est est-ce que vous partagez cette attitude, enfin, cette, euh, euh, ces propos du chef de l'État qui disent que euh, la ville est caduque Mais je partage. Il n'a rien inventé, c'est le texte. D'accord. Et aujourd'hui, peut-on parler, maintenant, suppression ou ville ah, vous la ville a été supprimée depuis. depuis... Non, depuis, non, de mon Depuis 96. Non, mais de mon Il y a une explication technique, mais de manière concrète. Oui, la ville a été. Le Sénégalais, supprimée. le Viscois lambda qui est à côté, qui ne maîtrise pas ah, cette, ça? cette, théorie, Pour ne pas comprendre. C'est ça, donc. Il pas de moi. Pour synthétiser. Voilà, merci beaucoup. La ville <laughs> a été supprimée par la loi 2013-10 du 28 décembre 1900, 2013. Euh, Présentement, la ville a un autre statut, c'est le on n'a rien inventé. Entité de mutualisation là, intercommunalité là, mutualisation mais actuellement au niveau de la ville nous avons mis en place la conférence des maires qui est devenue une intercommunalité les trois maires. Est-ce que, ça, va, revenir aux mêmes intercommunalités et, mutualisations mutualisation Mais d'où ben afi, Bien, on l'a fait parce que la loi nous Parce que l'intercommunalité, on sait que de, de, c'est un regroupement de communes. Voilà, donc de manière courante, ça existait. Mais dans la mutualisation où quelqu'un qui a des ressources, des nions, du bimbalé, voilà, selon wow, Donc euh, au niveau même de mmh. l'article euh, de la loi 2013, mm -hmm. parce que texte ah, absolument non c'est important. Mm-hmm. surtout en matière. de léegi le 2013 mm-hmm. au niveau de l'article je crois 5 il y a une disposition qui parle des revenus du patrimoine de la ville. D'accord. Là au niveau de la linéa 4 on a dit que les communes doivent participer au budget de la ville. C'est une sorte de perfusion. Oui. Parce que participation. Non, non, on a La question. Ville, Bien que cet futur établissement de mutualisation peut avoir des ressources propres, comme il peut avoir des ressources qui viennent des communes. Rien à voir avec la contribution locale, celle oui. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Parce que les textes, le mot que entre nous, deux mots de Gamaïwa. Parce que des fois, damay wax ni man ma xamul dara. Voilà, ça nous a paru bizarre. ma ma sauté ci occasion bi. Autant de, de, de, de, de mères, de, de fisc, mhm. sont venus certains ici, d'autres euh, dans leur propre quartier. Euh, dire à l'opinion que c'est cet avis, je veux dire, pour être plus précis. Mhm. On n'a pas entendu là, mais non, sortir, la mota. Mais je ne sors pas. Pourquoi sortir je ne sors pas, mais bon, moi, Mais on dit de, réformer la ville, tout le monde crie à, à U et à Mais je le dis, je le dis, depuis 2013, ma c'est une fille. Euh, mais depuis, <laughs> je parle de la, de, que l'acte est la meilleure réforme que le ah, Sénégal ait connue. Voilà, donc nous y sommes. mon bio, à dara looy aussi qui a fait l'île au rondala. sinon il faut améliorer. voilà rien n'est figé. nous sommes dans une monde dynamique. rien ne reste là où il est. Mhm. rien ne demeure ce qu'il est. Mhm. c'est le changement est permanent. il faut surtout toujours s'adapter. Et améliorer. Oui, améliorer. On a besoin de, de réactualiser la mhm. nomenclature. Alors, quel est l'inconvénient dans cette, réforme des villes Deux. des villes l'inconvénient lan moitié si sikkaange loo les collectivités locales de cette volonté donc de réformer la ville et qu'il n'y ait plus. c'est réformé depuis encore peut-être non non mais monsieur monsieur maire. monsieur c'est réformé moo ça sur le vous parliez tout à l'heure de de li nga xam euh, les décrets qui sont sortis auparavant. d'accord avec vous. et la la la la nouvelle loi qui est actuelle la loi 2013. oui mais mais vous lui lui référer c'est l'actualité. à moins qu'on parle demain de l'acte 4. <laughs> non, mais il y, a la, phase 2 de la ah, ah, C'est ça, ça, ça cette phase c'est le financement et la cohérence territoriale. Mais c'est surtout ça, parce que la, la théorie, mais, euh, la non, mais c'est la théorie qui a été sortie, oui. Euh, euh, par le ministre Omar Je ne l'ai pas suivi. Qui fait tourner aujourd'hui parce que c'est une confrontation territoriale entre la commune et euh, la, ville et les autres communes qui entourent, par exemple, le, cadre office. Je ne l'ai pas suivi. Et que euh, le, député Sédigou disait que est une contrainte, donc voilà, euh, une, un soubassement pour réformer la ville et supprimer peut-être. Mais nous, un débat politique, c'est-à-dire avant de soumettre la loi à l'Assemblée. Mais la loi est votée personne n'y peut rien. Dans un acte, tant qu'on n'a pas modifié, on n'a pas fait le retrait, on n'a pas fait l'annulation, l'acte reste toujours en vigueur. Donc, les femmes ce texte texte les république du droit. est-ce qu'il s'agit de questions de suppression de vie c'est pas c'est pas ça la question je crois. non pas ça mais dëgg naa ñii li nga wax nii dëgg naa ko mais c'est pas l'actualité mais boo seetloo Tëngéej fii. soit par mégarde wala par incompréhension c'est ce qui est le plus ventilé li nit ñi di wax yëpp mooy kenn duñ fi dindi suñu Tëngéej gi nga xam ne dafa nekkoon cosaan nekkoon aada entre autres. waaw kenn dindiwu ko. loolu pour on il s'agit pas de venir. ok effacer effacer ah, mais c'est ça justement mais mais tu as compris pas. c'est-à-dire ça l'opinion ne comprend pas. il faudrait que. c'est-à-dire ils ont une nostalgie et c'est historique. Rufuska a été toujours une ville euh, politique, une ville de culture, une ville d'histoire. Mais vous est supprimé, ce n'est pas effacé, c'est changer le statut. D'accord. Changer le statut. mais... Et c'est de ça vers ça qu'on va aller. C'est fait. Mais je te donne le décret qui crée la ville. Le décret est là.

institution républicaine publique. Alors justement, Taïdini, l'institution euh, euh, républicaine publique qui est la ville, avec euh, son conseil, c'est vrai qu'ils sont, ils ont été choisis, je pense. Désignés. Désignés. Ah. Ce qui a fait d'ailleurs que euh, c'est le Parti démocratique sénégalais qui a Bon, je ne parle pas de politique. <laughs> D'accord. Moi, je parle de développement. Et je, ne fais que un libéral. Et, je l'ai dit, non, je l'ai dit au niveau de l'intercommunalité. mais bon, puisqu'on est entre vous, quoi, on peut en parler. Non, évidemment. Moi, de me Ah au niveau de ma commune, peut-être j'avais ce problème-là au début. J'ai dit que c'est hmm. une institution citoyenne. Peut-être, Bimenyo, je suis passé par des canons politiques. Mais une fois que nous tu dois être au service de tous les citoyens du Nord. Vous n'avez pas l'impression que euh, l'incompréhension qu'on a de vous, c'est être maire, qui plus est être un politique au service de la communauté, mais qui a également cette touche de technique qui fait que voilà, dans l'explication, on est, on est, on est très... Peut-être, mais moi je suis très clair. Alors que l'opinion, souvent, de bug ngay c'est ça <laughs> euh, la définition avant ngay oui euh, man peut-être. Euh, je suis un peu têtu. non non allons-y. la définition la <laughs> définition de la vie. de de l'institut municipal. Mm-hmm. c'est une cellule fondamentale de développement local. absolument. un cadre légal composé des représentants des citoyens. Ces derniers, à ce niveau, doivent concevoir, conceptualiser, mettre en œuvre des projets de développement pour répondre aux préoccupations des populations afin que ces derniers aient un bien-être. D'accord. Ah, parce que dama dama am yenen question yu ma la bëgg posé te xam naa ci fànn bobu lay jublu. Uh-huh. c'est le moment donc d'ouvrir le téléphone 88 628 0013 pour cette participation cette contribution wala sen ay laaj ci ki nga xamné ne modi ah, suñu gan mam Omar Mané maire bu ah, Rufisque Nord bootu ci kuréel bi nga xamné mom lañu la ARC ba nopi tamit jamono bi nek un responsable politique technicien en télécommunication alors monsieur le maire. Uh-huh. dama don wax né en en ville aujourd'hui tey jii nii moom mi nga xamné euh, n'est qu'une institution. Mm-hmm. Euh, dans la réforme est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui que ce conseil municipal de la ville n'existerait plus. mais si. je te dis que dans toujours l'intercommunalité. qui est un établissement public de mutualisation des compétences des communes qui la constituent. Il y a une assemblée délibérante et un président. Il am assemblée boo comme ni conseil amee mooy voté ay délibération daf am mhm. am président boo xam ni dogal ñu maire même par l'administration centrale d'accord est-ce que je fais comprendre non leer na kay xaw ma ndax opinion parce que puisque déjà dans sa dans cette première forme. Ah. déjà nous gens ont désigner. oui autant. c'est ça ok désigner. C'est comme euh, en matière. d'où la réforme parce que réforme forme changer. pas pas éliminer. Ah. <laughs> je reviens mon cher non c'est important. oui parce que toujours. Mm-hmm. les gens se confondent. Mm-hmm. une loi. Mm-hmm. et ou un texte. modifié changer. Oui. Les gens disent qu'il y a une nouvelle constitution. Mhm. Mais c'est pas une nouvelle constitution. Mhm. On a modifié la constitution de 2001. Mhm. La nouvelle serait changer. Celle qui élimine, change, toute neuve. Comme la loi 2013. une autre écriture. C'est ça. Une écriture et un autre esprit. C'est ça. Oui. Et que tout ça est dit au niveau de la décentralisation. Je reviens encore. Alors, euh, excuse-moi, mais on a l'impression que quelque part, il est il y a une, manière d'intoxiquer l'opinion qui fait que, voilà, du coup. Mais c'est toujours comme ça. On est en politique. Oui, on est en politique. <laughs> Les gens jouent le rôle. Mais moi, c'est ça, c'est normal. Moi, toujours, je dis à mes collaborateurs là. Oui. Uh-huh. Ne faites pas de la politique politicienne. Uh-huh. Uh-huh. Faites de la politique tout Faites de la politique. Dans le pour l'homme, pour répondre aux préoccupations des populations. Voilà, Hassan, justement, monsieur le maire, pour invitation. Oui. On a tapé sur tous les bords. Mm. C'était très difficile. Mm. Il a fallu que nous ouvrions ça pour Mais bien, il a le téléphone, monsieur le maire. Vous savez ce que wow. Man, ñi may faral di wuy téléphone. damay sawar ci ñoom mooy ñi nga xam ne yitte D'accord. wi. d' D'accord. naa man chaque jour que je fais je suis sur le terrain de 9h. et ça veut dire que dafa am ñoo xam ne dañ lay woo leneen du intérêt askan bi. am na bari na ak waxtaan sa. Hmm. Eh, man sama jaar bu ma woowee sa zone de lan la may be commencé damay liggéey. mu ne ma toujours yaa ngi si askan bi waa toppal askan bi ma ne ko waaw damay jàmm yàlla pour yéen yàlla barkeel leen barkeel seen njaboot chaque jour man je suis un maire un ah. dara si maire bi maa mënal sama bopp parce que pour nga diriger dox.

ou pas un homme de serraille maa leen une intéressante, malin clando pour financer alors parlons politique monsieur le maire. deux questions importantes Ben l'héritage aujourd'hui de Badara Mamaya en premier pour commencer. Mm-hmm. qui est aux, commandes et comment pour euh, depuis l'intérim et comment est-ce que vous comptez peut-être éventuellement aller en assemblée générale est-ce que tout ça est prévu. bon faut vous euh, du la si à titre personnel mais nous ne le nous le en tant que politique parce que moi je n'ai aucune responsabilité politique à ce niveau. Mm. je reviens je vais Mamaya il était le président du parti Sow était le secrétaire général du parti Abdou était le coordinateur politique du Nord. Asma Asmamour est le coordinateur politique de l'Ouest. Job et Baledjei sont les coordinateurs politiques de l'Est. Lolo fi nek Est-ce que l'en mhm. Moi comme bi fi mama ya que ma responsabilité politique, je suis son ton technicien. Je te réalise des projets campagne budgétaire, joté nga réalisé, li as réaliser, li lañu réaliser. réaliser laa ilaaha illallaah ma waxal la. dugal mairie ba. oui waaw c'est vrai. yooyu état bi moo doon jàppale gaañ ñi. non man la maa jënd terrain bi 45 millions. def fa ñetti bâtiment. et puis sur propre. propre laa la wax yow. propre. nekkul ne li ngeen am yow. est west kii non non maa ko réalisé. Pape Assane Diop moo ma jaay terrain bi. 45 millions. et le bâtiment. non bâtiment bi fu mu nekk moom moo ñu ko may mais devanture bi ñun suñu xëba lañ doon d'accord Devant bi moo moo ko jaay si kattanu yàlla à 45 millions. Bonne beneen réalisation. ma def njëtti bâtiment yooyu bu si nekk def presque des réalisations de 28 millions Bon, mooy ben, bi au niveau de la mairie. Mhm. nga suis nga ñëw point yu nekk canal euh, Gendel. Mhm. maa ko réalisé Je jii boo demee pont Régal def fa passerelle parce que terre bi moo ko les populations étaient pressées actuellement toujours au niveau de Ndargonaw à ce niveau là je suis en train de faire une canalisation pour véhiculer toutes les eaux qui viennent de l'extrême nord au niveau du canal je suis en train de réaliser une canalisation qui véhicule toutes les gens qui viennent de Dalou Salam de Rukutëgg nous sortons aussi si canal Madame, mhm. euh, au niveau de la santé. Mhm. j'ai construit un poste de santé à Takou de santé millions actuellement je fait man fait par de def maternité Nous euh, actuellement je suis en train de reprendre la dalle pour 30 millions. Oui. J'ai dégagé, ça y est, dans notre compte, presque 45 millions pour la réhabilitation des quatre postes de santé de Rive Nord. L'argent est sur place. Je suis en train de... J'ai lancé le marché, le marché l'appel d'offres. L'argent est, disponible. pour euh, la réalisation d'un poste de santé à Dar Rahman. 80 millions. Au niveau de Gandal, toujours dans le cadre du Pakistan, parce que euh, Pakistan, je te dis que j'ai 884 millions et je n'ai pas encore utilisé les 400 millions. J'ai prévu de réaliser un poste de centre à Gandal, un centre de à Gandal, un foyer de la femme à Gandal, et une école à mais Nous, au niveau de l'éducation, j'ai euh, fait réaliser un bloc administratif à l'école Cité Radio. J'ai repris deux classes à Basiroufal, j'ai fait une classe à Dar Rahman, j'ai fait une classe à Shérif 1, j'ai réhabilité trois classes à Shérif 2, j'ai fait une canalisation pour l'assainissement à Shérif 1, Shérif 2, j'ai fait deux blocs de toilettes à face et je suis en train, le marché, le gars va, va commencer, de faire

mbëkk salle de classe bi. ah bon waaw au niveau du nord. au niveau du nord. yëguma ko waaw daal di ko non c' était à l' est excuse moi. ah ok ah, euh, euh, ok parce que tali yii dafa dafa. ok wax nga dëgg. alors monsieur le maire beneen bi mooy. waaw. Euh, jamono bi nga xam ne si lañ toll ñu war a def ay élections élections locales. Mm-hmm. boobu ak léegi ñu ngi koy programmer gars yi woote nañ dialogue politique dialogue national saa yu ko nattee rek ñu delloo ko jamono bi ci 21 bi wax nañu peut-être décembre wala. Euh, janvier 22 euh, la est-ce que titre leen les le le fait que le calendrier électoral n'est toujours pas respecté par man parce que calcul man j'ai dit à mes populations bu ñu xaar élection bu ma bëggul tay tay tay def pétition motivé ko ñu <laughs> je ne calcule pas les élections je ne calcule pas le pouvoir de parce que bon il y a une technique tu n'es pas le politique. c'est ça non la meilleure façon de faire des politiques je le répète c'est d'assister les populations de trouver des solutions à leurs problèmes puisque moi je ne pas à, je ne suis pas à 50% parce que le développement comme je l'ai dit est multidimensionnel multisectoriel Nous, mais bon défait, li mais tu as la conscience tranquille waaw loolu la moo tax calculé wu ma élection bu dee suba la ah ginnaaw suba la benn la si mais sama opinion sur loolu nga wax mooy euh, l'opposition a toujours demandé à ce qu'on audite le fichier électoral. Beaucoup na sax d'ailleurs ci lui retardé Donc, donc loolu boo leen ko bu l'élection, ko def bu amaatee résultat est donc contesté. donc au lieu consensuellement ñu waxtaan auditer ko valider ce élection. mais entre temps bu ñu jëloon tey proposition au député Seydou supprimer les trois communes à dans def communes, commune bu tudd Tëngéej. mun na peut-être mais avec l'acte 4 mais actuellement. ce qui est en cours et actuel. C'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013. Gagne Facebook, nous avons le contre-pied des autres autorités, des chers, pour que la euh, euh, réforme soit am yow yow nga ñëw di ànd ak état bi. mais alors que yow a un la gis est ay ngay texte là, il de mu ngi nii yëpp mën naa la et état je suis avec l'État donc d'une manière générale quoi je dis que la mairie est un démembrement de l'État. La mairie. l'État est une personne morale de droit public dotée d'une personnalité juridique incarnant la souveraineté et l'exerce à l'endroit de tous les populations. Là, c'est la Constitution. C'est ça. Moi, ben, oui, allons-y. Deuxième la mairie, comme l'État, est une personne morale de droit public dotée de la même personnalité, mais incarnant le pouvoir local et l'exercer au niveau de son périmètre communal. Mhm, il doit, mhm. d'ailleurs, même au euh, la loi 2013, on dit que les deux administrations doivent se contractualiser pour l'intérêt des populations. Il y a un texte. alors euh, monsieur le maire il y a une émission bi euh, de la perspective d'avenir est-ce que as? Euh, di nga nangoo nekkaat candidat si jamais euh, dans l'état les communes vont rester même s'il y a pas de acte quatre. Euh, pour candidat yàlla na moo xam yàlla mooy fal mooy fal mais déjà dans dans le dans la perspective d'avenir. dans la perspective là mooy lii nga xam ne nii askan bi dénk nañ ma ko. sa matalul gu ma ko ma nekk si. Donc il donc yow candidaté candidat non non non jamais nekkul sama kii. nekkul esprit ñaanal nous di wax na ñëpp ñëw nekk benn boole xol ñu defar suñu gox loolu rek alxuraan moo wax ay nit le premier que yëkkati lu 10 10 10 yalla yàlla ma ci tek barké développement loolu chaque citoyen est actionnaire au niveau de l'entreprise qui est l'institution municipale. Appelle le boy def. Ils doivent venir apporter leur touche pour le développement et la promotion des citoyens di ñaan yàlla feebar bi nga xamné ni ñun de yegg nañ ko parce que li nga doon wax ci marché non naa ba mais avec Covid bi j'ai des partenaires yoo waaw. gestion d'ailleurs yow doon nga si def dara yi yi passé gestion Covid bi amoon le bari. lu bari man damay wax. du mais bu bees bi nii def. Euh, non boobu suis commencé nañ ko. suis le waaw xam ni. lan le lan la gestion bi ba ci vague mais la conscientisation des populations, les populations ne sont pas conscientes, n'ont pas une conscience citoyenne. L'État, le, le, service technique, qui est la santé, Il appartient aux populations de respecter les mesures barrières. Parce que dans aussi, dans toutes les conférences, il me donne. assisté. lan euh, mujj jamono mujj jamono dix mille balaa dina wàcc par at. dama ko liir dama ko liir si benn wàllu égyptien li koy tax mu rek xam nga lan la. li hmm. jikkoy rafet. jeex na. je vous remercie, vous encourage. <laughs> Merci Parce que Gisna fait changement. <laughs> Mais même Yen aussi, vous êtes des collaborateurs. Ah, nous <laughs> le budget, le budget est un moyen d'intervention, mhm. un instrument de gestion. Mhm. On nous l'a confié pour qu'on le gère rationnellement et le redistribue équitablement à l'endroit de tous les citoyens sans aucune distinction partisane, encore moins politique. Monsieur le maire, vous n'êtes pas proche de vos sous C'est-à-dire, on n'a pas de sous hein. Même si tu as des sous et tu n'as pas une vision, une orientation, c'est comme zéro. Moi, j'ai pas de sous, mes sous sont les personnes ressources de qualité de la mairie. Malgré le la santé, monsieur le maire Omar Manet et mon émission jacarlo politique tour d'horizon bi gis ngeen ko c'était hyper intéressant parce que on parlait de technique donc euh, sur euh, l'acte 3 de la décentralisation euh, mais euh, également suppression ville bi euh, li ci texte taxi wax le gën wax nekkul woon nee na autorité bi mais wax li texte yi wax gis na ne daal lii jiitu woon na ko daan na ko théoriser ñu leen gërëm di leen sant ci déglu bi di daje incha dimanche lay donne ak beneen gan Moussa Pouy moo nekkoon ci waxkaay bi Assane Diouf fare woon ci xarala gi incha ñu yendu dimanche su jàmm jërë ngeen jëf ci teewlu bi waxul ne na lees también te vamos a dar hoy de galval jambor islam nena le soy nena le Sabi que cumam faz. Diouguène Fall Bige Kumba Fall jambarooy ndigal may sa Bige Kumba Fall jambarooy ndigal may sa Bige Kumba Fall njalama xalifa baayi góor Fall ma lay woo Fall may sa Bige Kumba Fall nee lees ooy nee na lees wawul ku ndigg dal di gëm la gis rek ni waaw gis na ma war a leer dégg dégg war a la ca biir du lu ñëw rek nga gëw koy leesooy ni na lees waxul njaaroo ma ni nga bàyyi góor njaara ma yoo

Come on, needs some. fa maam say njaay sa Bamba sa maama feeñal Bamba sa maama feeñal Bamba si bàyyi sa bige Kumba Faal sa Bamba si bàyyi góor ma degen Demba Faal sa maama feeñal Bamba may sa bige Kumba Faal nda jamaari xel koom nee na leen faal nee naa leen waawul bul dégg daal di wala na gis ni waaw gis dama war a dégg-dégg war a jàngal la ca biir du lépp lu ñëw gëw koy lee Jafal Jambar Jambar il Islam Jambar il Islam Gor bu doonee mama may rabi yet fu ma faal lépp lu ñuy wut ci Seex Ibra Faal lépp a ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut ci Seex lépp ngi ci ndigal faal lépp lu ñuy wut bay góor may rabi yet fu ma lépp ngi ci ndigal faal nee na Enale. savez que faire le week-end Allumez la radio, le meilleur des tubes. La musique est partout autour de nous. Les souvenirs le sont aussi. You're now listening. DJ Mask DJ Mask Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Écoute, c'est DJ Mask Shine bright like a diamond. up Gangnam Style.